On a vu des banques mauritaniennes à côté des banques sénégalaises, a usines mauritaniennes, à côté des usines de, dans tous les domaines, mouille pêche, mouille agriculture, mouille industrie, beaucoup de nañ ko fi tay. de nak limuy woné rek moy que ñaar a rien, mon nañ def le réel parce qu'avant qu'on monte des business en économie, euh, il faut qu'on xamanté déjà. Lors aussi c'est un très grand qui. Mais ouais, limite qu'on a fait nous, nak la signature d'un cadre, d'accord, entre les hommes d'affaires sénégalais avec les hommes d'affaires euh, justement mauritaniens ndax cadre boobu suñ ko xasee taxawal rek day dal di am presque un comité permanent boo xam ne euh, saa yu amee opportunité d'affaires en Mauritanie wala au Sénégal dañ koy suivre mais day permettre ñu suivre accord, yi ñu signé fii ndax une chose mooy nga signé ay accord. ne dañu bëgg a ensemble dañu bëgg di jëndante ak jaayante waaye li gën a jafe mooy accords yooyu ñu respecté ko réaliser ko loolu aussi lu lu rafet la donc li may ñaan rek mooy euh, li ñu fi signé yëpp ñu ñu réaliser ko euh, loolu moo waral ma déjà lancer un appel aux hommes d'affaires sénégalais pour que nous commencer déjà à préparer le deuxième forum euh, la deuxième édition bi nar en Mauritanie parce que chaque année les su qui ci Mauritanien, ci Mauritanie am Sénégal bii amee Sénégal am en Mauritanie C'est ce qui est intégration donc il faut que les hommes d'affaires sénégalais déplacent en masse Ouais, rek c'est pas les hommes d'affaires mais c'est aussi l'artisanat c'est aussi le monde de l'agriculture c'est aussi le monde de l'industrie du commerce il faut nous préparer pour vraiment ñëw exposé fofu pour que wa Mauritanie aussi gëna xam lan mo fi lan mo fi nek li nga xamne aussi euh, rafetlu nañ ko lool moy euh, justement euh, li nga moy ce ce cadre là moy chambre de commerce gis na tay chambre de commerce Mauritanie ak chambre de commerce Sénégal def nañu un pas de géant pour mëna egg ci lo xamne moy cet accord là